Ben, le sentiment d'une perte immense. Vous savez que euh, ce que représentait euh, Abdelaziz à la mine, non seulement pour les Tijanes, mais aussi pour tout le, humain donc c'est une, c'est une perte énorme, c'est sûr. En fait, moi je viens juste d'arriver à, pour prendre le bus d'académique. Il y, a, il y a deux bus qui sont déjà pleins. Alors je suis en train de demander s'il y a, y a d'autres bus qui vont, euh, qui vont partir. Mettre lool ñun nag lii rek nañ am ñun waa Tivaouane bu ñu amee na naqar dañuy dem ñaan yàlla nag yàlla na fi yàlla def jàmm nag si biir réew mi Sénégal gi yëpp si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam si barke Seex si barke Seydi Hadji bu ñu soñoon nag ah ñu dafa ñu ko gratuite parce que metti na weer sori na te ñu ngi soog a jugee si tabaski ouverture école taxaw bu ñu soñoon daal la ah, ñu dafa ñu ko gratuite ñëpp dem bi mu làqoo euh, tey métti na ci ñun lool lool lool métti na ci ñun lool parce que koo xam ni depuis mu juddoo ba léegi mi ngi waxuma liggéeyu Serigne Babacar Sy waaye liggéeyu kër Seydi xaaj Malick waxuma liggéeyu kër maam Seydi xaaj Malick waaye liggéeyu tariqatu na ya mi ngi ci nekk boobu ba léegi di ci liggéey suba ak ngoon gu dégg bëccëg kon ci askan wi yëpp la métti euh, ci ni ñu ko yëgee xaw na tiis tiis na ci ñun métti na. Il faut tout simplement savoir que les bus sont à la disposition de la population sénégalaise et les tarifs varient entre 1000 francs et 2000 francs. 2000 francs c'est pour Sénégal Dem parce que c'est des bus climatisés perte bu mag la dal pour aduna bi yëpp pour umma islamique bi yëpp franchement. man d'habitude su voyage, tu vois, waa du ma jaar fii tey rek la mais ah prix bi nenañu xawna tane dal voilà xawma ndax mo nekkoon sen tarif normal ou pas mais tane na dal voilà tane na. Oui, j'ai été véritablement terrassé ce matin quand je l'ai appris. Moi, je reviens de la mer comme ça, je devais rentrer sur Tuawan mais ça a précipité mon départ sur Tiawan parce que Seigne Abdou est un être euh, tellement adulé, tellement aimé à Tiawan parce qu'il aidait beaucoup de monde. Oui, en tout cas, cet après-midi, le transport est un peu favorable parce que quand nous venions, vous savez qu'aujourd'hui c'est le vendredi, il y a beaucoup de gens qui sont partis à la mosquée, c'est pourquoi on ne peut pas mesurer le degré